mana wannan waƙan mu votre émission hebdomadaire destinée à toute la jeunesse nigérienne kuna à da Amina kuta kullum Rabi mai Kano kamar Salim da Salima a cikin wannan wakar Facebook tana hada soyayya da yawa sai pourquoi dans notre fada d'aujourd'hui za mu yi zancen soyayya amma ba kowace ba ta Facebook da WhatsApp da kamannin su a turanci amour 2.0 les couples euh, sur Internet. Quelle authenticité de ces relations virtuelles Où est-ce que ça bloque Où est-ce que ça peut coincer Ils sont nombreux les couples qui naissent grâce aux réseaux sociaux et qui vivent grâce à eux, mais qui se cassent aussi sur ces mêmes réseaux sociaux. Yaya a take on take EST e c'est vrai Nanga c'est une école euh, technique communication mais dans tout ça il y a amour aussi non on s'aime aussi, non Ouais, c'est ça. Ah, ah. sur cette table, nous sommes avec euh, Esther. Esther, ça va, Ça va bien Tu étudies quoi ici La licence technico-commerciale. C'est une commerciale, hein. elle va gérer les sous, Esther. Nous avons également Ridwan. Ridwan, ça va Ça va, alhamdoulilah. Yanné, Ça va, qu'est-ce que tu as Licence technique. technique mhm. su ça tu kula da mais à son Farida, ça va Et toi, tu fais quoi ici Une technicienne aussi. <laughs> Au menu de ce numéro, nous aurons un vox pop. Des réactions du public, même s'il est tout petit. <laughs> On n'a pas pu avoir tout le ST. Nous aurons la chronique d'Olivier et aussi de la musique, vu qu'il n'y a pas de fada sans musique. clique sur une belle photo de profil, on regarde, on s'emballe gars, un demande d'amitié et ça Avec les filles, des fois, il faut cliquer plusieurs fois. Il faut tac tac tac, ça vient pas. C'est ça, non mhm. eh, Dis-moi. Ça va Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles Je m'appelle Abdul Rachid. Abdul Rachid oui. Tu as cliqué, cliqué plusieurs fois, ça n'a pas marché Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les filles, c'est compliqué. Hein? <laughs> Ah, en tout cas. Elle m'a tassé à Hankali. Wallahi. Des fois, quand ça m'a brigué, ça moi ils vont faire la, <laughs> la miss, la diva, quoi. Ouais, c'est leur nature comme ça. Comme tu comprends là, ça va aller un jour, je te dis, courage. Nous sommes tellement connectés que Internet est devenu un lieu de rencontre favori. Na ake komi, na ake pourquoi les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui l'espace de rencontre favori maintenant tu vas c'est Facebook jolie selfie là tu vas avoir des j'aime avec ces j'aime là encore tu vas voir quelqu'un il va dépasser j'aime ma belle explique-moi pourquoi maintenant c'est sur Facebook qu'on on veut rencontrer le, <laughs> le prince charmant Bon, voit déjà sur Facebook, on mhm. n'a pas besoin de sous pour euh, voir la fille. Au resto, quand elle va au resto, tu vas pas venir lui dire ma belle, ça va, ça va. Ouais. Elle balance ça, quoi. Uh-huh. Au resto, il faut payer l'addition. Alors que sur Facebook, il suffit juste ta photo, elle est belle. qu'est-ce bah, sai ka tare su ran maka biya kuɗin abincin. To, sannan ne. To kai ka ji abin da Esther ta ce. Donc c'est parce que baka san bien addition qui ne la jira buskan facebook ta ɗora foto de profil kinta koko ya ne aka yi gaya mini ridwan kai ma haka ne ah wallah mm. bon eh, mu dai yanzu mun gane su eh, sur facebook mun ga na su on clique d'abord une fois, deux fois, on fouille ici, par là, pour voir les autres photos, si elles sont... Eh, elles sont... si c'est vraiment elle sur la photo ouais, oui. déjà. Pour voir si cette photo convient, la beauté qu'elle qu'elle qu'elle sur cette photo, est-ce vraiment c'est ça qu'elle a sur l'autre photo Est-ce c'est vrai pour voir vraiment si c'est ça mais euh, sinon, donc toi, tu comptes pas que sur Facebook, quoi. Tu peux même rencontrer la fille de la rue et puis tu l'abordes, quoi. Oui, oui. T'as assez de cran pour ça, quoi. Mmh. C'est bon, il est assez beau gosse. Ma ki a ganin ki me yasa ya zama inda a ce nan ne kawai kake taya da su wani facebook da kamannin su sai a ce yan mata nan ne zaka je kaga yan mata su ma yan mata nan ne suke kansu et puis toi le mec c'est là-bas même tu pars pour voir eh une telle là elle paraît intéressante hein? elle paraît fun hein? elle est tout le temps bien habillée le physique ça passe hein? tu as vu non c'est le physique même là c'est là-bas on montre ça maintenant Bon, moi je pense que c'est plus facile sur Facebook, puisque il suffit juste de discuter avec la personne sur Messenger, un, deux, trois messages et tu dis est-ce que je peux avoir ton numéro et c'est parti de là. Même si la personne est loin, il suffit juste. Maintenant, la technologie a avancé, il y a les appels vidéo, les messages, les photos. Donc, est-ce qu'on peut trouver l'amour sur Internet On peut trouver l'amour sur Internet euh, je m'appelle Abdelrachid. Abdelrachid Oui. On peut vraiment trouver l'amour sur Internet Genre la bonne personne, le En fait, moi, je pense pas. Hein. Ah ouais Parce que maintenant, au niveau des filles. Sur Internet, là. Au niveau des filles. <laughs> <laughs> maintenant, au niveau des filles, le problème qui se pose, bah, certes, il y a d'autres filles, elles sont timides, donc. Euh, mais sur Facebook ou sur les autres réseaux, la communication est plus facile. Mais il y a d'autres aussi, en ce qui concerne le physique, c'est pas vraiment ça. Mais au niveau des selfies, il y a les filtres. Donc, sur la photo, la fille est jolie, elle est bien, quoi. Mais en réalité, c'est pas ça. Hmm. Donc, euh, sur les réseaux. Mais l'amour là, c'est pas que le physique, non, Coco. Ah, c'est vrai, mais, quand même. C'est un point donc toi la s'il n'est pas beau gosse là, hein, Esther, donc toi ça, ça, rentre même pas quoi. Non, je parle pour lui. Je répondais pour lui. Ouais, c'est un point essentiel. <laughs> D'accord. Là, on est avec un pro du web. Lui sur le web, il trouve tout et n'importe quoi. Oli, dis-moi, sur le web on peut trouver l'amour merci beaucoup, Ravi. Ça va, lui Ça va bien. papa le paparazzi du web. <laughs> Avant de répondre, euh, donc, du moment où on vit des sentiments grâce à Internet, grâce à Facebook, à WhatsApp, et pas que ça, même à travers les mails. Mhm. Donc déjà, dès qu'on vit ça, on est dans l'amour 2.0. Maintenant, la question de savoir si on peut trouver euh, son amoureux ou bien son, amoureuse euh, sur Internet je crois que Facebook, c'est 2 milliards de, personnes. Donc, c'est le sixième continent virtuel. Donc, c'est basique, quoi. C'est simple, tu vois. donc, c'est vrai. Aujourd'hui, avec euh, une application qui s'appelle Tinder, c'est pas trop développé ici. C'est une application qui te propose des amis dans ton quartier, en fait. Ok. Tu vois, donc tu es dans ta maison, la fille la plus belle d'à côté. L'application te la propose, quoi. Si tu hmm. n'as, en fait, vous réglez tout sur Internet et puis bon. si le courant passe, et, puis bah, vous vous donnez rendez-vous quelque part. sur Internet, il n'y a pas histoire de je suis musulman, tu es chrétien, je suis blanc, tu es noir. Non, non, non. Là-bas, c'est les vrais sentiments, quoi. C'est pas une histoire de uh-huh. référence. Pourtant, quand on dit virtuel, on a l'impression que c'est une autre image que tu montres de toi qui n'est même pas ça selon toi, on peut vraiment trouver le, vrai amour Le vrai amour, là, on dit même, même en marchant dans la rue, on ne peut pas le trouver. Alors sur Internet, c'est possible Oui, c'est possible. Hmm. Parce que sur Internet, aujourd'hui, tout le monde tout le monde se connecte euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, on peut bel et bien trouver l'amour sur Internet. Internet. Farida, Soyo Comment c'était Dis-nous, dis-nous, comment qu'est-ce qu'elle a de particulière euh, cette relation C'est comme n'importe laquelle ou c'est une relation spéciale quand c'est sur Internet C'est différent puisque quand on parle de relation à distance, c'est un peu compliqué parfois parce que des fois tu as besoin de voir la personne et les appels vidéo seulement ne suffisent pas. Ça te suffisait pas toi ina ne c'est sur internet Quand dai abun abonné, ça a continué sur internet non en fait on s'est rencontrés ici donc hmm. il était il a quitté et la relation a continué à un certain moment un an un an et demi ouais. après comme c'était compliqué donc chacun a préféré suivre son chemin ouais après tu vas nous dire qu'est-ce qui a qu'est-ce qui coinçait tous les amis de la FADA peuvent réagir et recevoir ces émissions en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 Tarada Infadam Namaradi. Tawa, Difa, Facebook On fait Amour 2.0. On aimerait bien tous les voir, mais ils sont pas là au lit. On est obligé de se, de s'écrire, de se capter sur, euh, sur le net. Donc, tu vois, non, même surtout Salafada, c'est comme ça. On voudrait, pour exprimer tout notre amour aux fans de tout Salafada et à ces amoureux qui sont avec nous, ça, I love you de Lori. On vous love. <laughs> on va écouter I love you de Lori parce qu'on vous love trop sur la Fada. laisse sur ma bouche que Hmm. Retour à la FADA où nous parlons de l'amour 2.0. C'est soyez Facebook, de WhatsApp, de Kamanunsu. anan tare da matasan da muka tarda à école EST muna tare da Farida da Esther de Ridwan kuma da duka abokan da suke nan tare da mu les relations ça peut être hyper compliqué même quand on vit dans le même quartier balle an ce yana wata jaha ko yana wata kasa Farida Gamin, complication qui, ouais, qu'est-ce qui peut poser problème? Ah, le seul moyen de communication, c'est le téléphone le grand problème, c'est la distance. Comme on le dit, amour à, amour à distance. Moi, je pense que c'est ça le plus grand problème dans les relations. Euh, et par exemple, tu peux parfois, tu as des problèmes, tu es ici, il est à l'extérieur. C'est ça, tu as des problèmes, tu sens mal, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'être près de quelqu'un. Et lui, il est, et, il est loin. Donc, il n'est pas là-bas, il n'est même pas connecté. C'est ça. <laughs> Apparemment, ça, ça pose problème à beaucoup de jeunes. Donc, on écoute un vox pop. Dans ce vox pop-là, au micro de notre ami, notre collègue Aminata Boubaka, ces jeunes ont partagé avec nous tout ce qui leur pose problème dans cet amour 2.0. La fille là, elle m'a bouffé. Elle m'a bouffé franchement parce que elle est au Bénin là-bas, je suis ici, on s'écrit, on cause, tout ça. Elle a tout fait, elle a tout fait, elle m'a prouvé l'amour à distance. Donc euh, j'étais prêt à tout pour elle et j'ai investi le montant, je préfère garder ça pour moi-même. Et ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Je l'ai même pas vu. Après tout, elle m'a bloqué sur WhatsApp, sur Facebook, appel, tout. Rien ne marche. je pense que c'est vraiment décevant, mais ça ne m'a pas encore arrêté hein, parce que je dois payer ça à une autre. o oh, yalla ya jinno aywe go ya kan aida da ir giri kine ya kan irman bai gidi cari tukul ka dai rezo socio bon bon han fi agni ai mai foto en sambing si ai gi ba si ngam ba nai san bai si to sintina dai ai sintin ga hambur hambur amma kan zalato danga giri na kan agon din yai ziyan kan ne labora Niger ani nimero nai si danga bera gunda da chore kun ji matasan sun ce wataran abun baka ma san abun in gaske bane ko ƙarya ne kana tare da mutum shekara da shekaru ita wannan kamar an ta gaya cikin wannan rahoton sai da ta je ta ga yan uwan shi da suke nan ga yannun shi da suke nan ga sannan ta yarda ku vraiment ana nan ana soyayya shi ake nan gai in ba haka ita ta fara jin tsoro tunda yanzu sun kai shekara biyu tare ke ga mu don mu ta reaction par rapport à ça comment tu trouves euh, cette relation une relation moi, je comme ça que c'est un peu gauche d'abord d'accepter de sortir avec quelqu'un que tu n'as jamais vu jusqu'à un an deux ans Bon, après, peut-être avec euh, la connaissance de ses proches, ça peut aller. Mais moi, je pense que c'est un peu gauche. Vraiment. Et toi, dis-moi, Ridouane. Ah, vraiment, je suis donc de son côté aussi. Vraiment, c'est pas normal de faire, d'être en relation avec quelqu'un qui est très loin, qui n'est pas ici tout près de toi. Tu ne te sentiras même pas à l'aise si tu as besoin de quelque chose. Elle n'est pas là pour toi, toi, <laughs> tu es seul. Des fois, tu t'ennuies trop, tu veux la voir, tu veux être tout près d'elle. Et eh ben voilà, maintenant. Donc. <laughs> Bon, moi je trouve que c'est pas vraiment ça, puisque tu peux trouver un mec bien sur Internet, sur Facebook, puisque moi j'ai des amis qui se sont mariés à travers Facebook. Ils ont rencontré le gars sur Facebook, il est venu ici, se sont mariés. Maintenant, actuellement, il est au Nigeria, je pense bien. Ensemble Oui. Et tout se passe bien Oui. Ouais. Je trouve que c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Tu peux tomber amoureux sur, sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp. C'est des choses qui Le arrivent. Le courant va passer, comment les C'est ça. Comment avant que <laughs> Ça se réveille. Euh, je me nomme Sophia. Ah, moi, je trouve que c'est un peu gauchien. Le fait de faire relation à distance sans connaître la personne. En tout cas, moi, je vois que c'est pas ça. Puisque, bon, in mutum c'est-à-dire si vous êtes ensemble si vous ces genres d'assises comme ça une seule assise peut suffire c'est-à-dire ça peut dépasser de faire des ans vous êtes sur les réseaux sociaux ouais kuna yi gane mu ko bata lokaci ne ke voilà je vois que c'est comme ça ya ka rama ta lokaci to <laughs> dis-moi ton nom anya ni ban saba ba gaya mun sunanka Sofiane ni ma sunana to Sofiane kace ko bata lokaci ne Allah ya ma hikarin bata lokaci sincèrement, yanzu mm. kamar comment, kaya ne zaka yi ka ce kana son mutum à travers les réseaux sociaux un truc comme ça quoi pas ta comment kamar imagine ko kuna ganin juna ya ne mutum ke nuna ma yana son ka ka gani zai kwatanta ma da yana son ka balle ba ku ganin juna parce que maintenant les gens se, se cachent derrière leur profil pour faire du n'importe quoi. Ouais. Selon vous, franchement, est-ce que le fait qu'il soit de l'autre côté et qu'il y a que l'écran, qu'il soit juste derrière l'écran, ça t'empêche d'être fidèle ça peut t'empêcher euh, Genre, le ah, fait même de rester là, d'avoir besoin de parler à quelqu'un, il n'est pas là tu as besoin de parler à quelqu'un, forcément tu vas te débrouiller pour chercher quelqu'un à qui parler. Même si au début l'intention c'était pas d'être infidèle. Après ça vient tout seul. Maintenant tu vois, euh, par exemple tu as besoin d'aller à un endroit, tu as besoin d'être accompagné. La personne elle vient, elle t'accompagne. Toi, ton intention au début c'était juste une petite sortie amitié. Maintenant ça vient tout seul. Lui il est là-bas. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce qu'il est même fidèle Est-ce qu'il se parle avec quelqu'un Est-ce qu'il fait ci, il fait ça Après tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas te dire pourquoi ne pas essayer et après ça vient tout seul. Mais mon chou, ma belle, dis-moi. Oui. Maintenant, tes chéris là, il bouge. Est-ce que parce qu'il est là-bas, il est derrière un écran. Hmm? Il faut prendre avion pour aller le trouver là. Ça peut constituer un blocage. Selon toi, vous pouvez arrêter de vous comprendre comme, comme d'hab. non, si vous étiez normal ensemble, vous vous entendez très bien. Pourquoi pas continuer ça ne change rien, c'est juste qu'il n'est pas présent. Sauf si l'environnement de là-bas le change. Voilà. Qu'est-ce qui peut aussi bloquer ce genre de relation Qu'est-ce qui peut coincer Ou c'est juste ça Je pense que c'est à peu près... Le problème, au fait, ça vient de là. Je pense que la majorité des problèmes, ça vient de ça, l'incompréhension, la distance. Et... Mais tout autour de ça, quoi. Ah, en fait, j'aimerais revenir sur ce que l'autre a dit. Mhm. Il parlait des mensonges. Il disait que sur Internet, la fille peut te mentir. Et je suis une fille, même en face. On peut se connaître en face et on peut se rencontrer de la même société, même en face, je peux lui mentir, je peux lui dire que je l'aime. C'est ça, c'est ça, pas besoin. Euh, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, on peut prendre une photo qui mm, vous changer complètement. Vous allez arriver, ne, vous asseoir en face de la personne, ne pas pouvoir la reconnaître même. On photo même, même si vous étiez dans le même pays, dans la même ville, dans la même maison, même, elle peut te dire que je vais ici alors qu'elle ne va pas là-bas. Donc, ah. c'est Internet, J'insiste beaucoup sur le point infidélité. Parce que je me dis toujours, moi, si elle fait ça avec moi, sûrement elle fait ça avec d'autres. Et c'est pareil pour moi. Donc moi, et sur les net, les relations pour moi, c'est pas, sérieux, pas vraiment sérieux. Quoi. Moi, je préfère la méthode traditionnelle. Donc, euh, voilà, voilà, plusieurs fois. <laughs> voilà. Toi, tu te méfies. Ah, Il te méfie. Hein. Eh, c'est ça le problème avec vous, les gars. Même si la fille veut s'ouvrir, être honnête avec vous, et je j'irai pas là jusqu'à là. Mais quand même. On est ensemble, on est à la fada. Ah, hein. Continue. Tu peux vraiment ah, te dire. De toutes les façons, c'est la fada, quoi. Je ne crois pas, hein. Vous voyez, quand elle est honnête avec vous, vous dites que non.

to in shi ba kuma ce lambar mu ta wasa ba kuna iya aiko mana tambayoyinku a 80 68 54 in kuka aika jeune Voilà, au 80 06 88 à 54, on retourne encore en musique. Comme il n'y a pas de fada sans musique, moi j'aime Karcharan, soyez sur Facebook, Zongo. avec euh, les élèves de l'ESD, nous sommes avec Ridouane, Ridouane technicien, nous sommes avec Farida, Farida elle également elle est technicienne, et ta maharaka na'ura ki, et comment kuma ce commercial. Tunda muna zancen soyayya bisa kan su Facebook da kamannin su duka yanar gizo gizo ba a yi wannan zancen babu Olivia a kusa parlons à présent de tout ce qui peut mal tourner dans ces relations facebook on t'écoute notre chroniqueur chouchou en fait ce qui est très dangereux avec les relations amoureuses ou bien les relations à distance surtout mhm. avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est que tu écris les mêmes messages à la personne avec les mêmes lettres ça devient en quelque sorte euh, euh, euh, une répétition à laquelle l'esprit de la personne s'habitue. Hmm. Donc si tu écris chaque fois les mêmes je t'aime, peut-être au premier mois ça marche, deuxième mois ça marche, troisième mois ça marche, arrivé un moment donné, la personne n'a plus le sentiment c'est que des, c'est, que des lettres que la personne voit. Oh là, c'est quand tu trouves l'amour en fait. C'est là, c'est quand tu es en couple. Mais des fois, hmm. Tu penses avoir trouvé l'amour, mais tu trouves un bourreau. Tu trouves quelqu'un qui te menace, qui te harcèle. Franchement, toi là, <laughs> toi là, tu as <laughs> oh, Esther, dis-moi. Normalement, quand on drague quelqu'un, quand on écrit un message, on attend une réponse. On écrit un message, on attend une réponse. Bon, il y a des gars qui écrivent six messages qui attendent une réponse, comme lui là. <laughs> <laughs> voilà, <laughs> Bon, il y a des filles, quand elles rencontrent euh, quelqu'un sur, sur, les réseaux, facilement elles tombent euh, amoureuses. Hmm. Mais le gars, lui, n'est pas sincère. Voilà. Et il y a des cas où, on a vu ça plusieurs fois, il y a des cas où euh, euh, la relation va atteindre un certain niveau. Jusqu'à ce que la fille, maintenant, le gars va lui demander de lui envoyer des nudes. Vous voyez, non Des photos de nudes. La fille lui envoie. il y a un qui Oui, voilà. Maintenant, la fille va envoyer. Maintenant, après ça, dès qu'il y aura des problèmes ou bien le gars va, va la menacer de lui envoyer de l'argent ou quelque chose comme ça. Maintenant, si la fille refuse, il la menace de, publier ses photos sur le net, vous voyez. Donc c'est un sérieux problème ça. Farida bah, Moi, je pense que comme sur Internet, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et j'ai été victime de ça plusieurs fois. J'ai changé mon numéro plusieurs fois. Et actuellement, même, il y a un gars qui est là tout le temps. Il m'écrit des messages. C'est celui qui en mal. <laughs> C'est ça, il m'écrit des messages. Comment est-ce que quelqu'un que tu connais pas, tu écris bonjour chérie, bonjour bébé Je peux pas comprendre ça c'est énervant. On bloque la personne il appelle sur un autre. Oh, enfin, enfin, elle veut parler. Vas-y, ma belle. Euh, ah. Ok. Comme il parlait des photos, des nudes et tout ça. Hmm. Dernièrement, je... Euh, il y avait des groupes qui ont été créés sur WhatsApp où les garçons était en train de divulguer la photo des filles que qu'elles leur ont envoyées. ce cas tout musu photo na mata basu de kaya ou bien ils sont ensemble. Ils ont divulgué les photos. Je sais pas si vous étiez au courant parce qu'il y avait plusieurs groupes. Il y avait et les filles et les garçons. Chacun, ils avaient sorti plusieurs. Il y avait plusieurs filles de Niamey. De ce qui est un groupe qui on a. On glisse vers la fin de cette émission. on a compris que la relation, parce qu'en Facebook, de WhatsApp, de amour 2.0, comment on c'est hyper compliqué. Selon vous, Ake et maintenir rapidement quoi bam idée idée quoi et partager idée quoi et maintenir même bon genre vous êtes obligé. Tu l'as pas voulu la fille elle a quitté. Comment maintenir cette relation Quoi bam idée Comment maintenir cette relation Qui a gagné qui donne-moi donne-moi une idée. Vas-y Aïssa qui a gagné De maintenir pour maintenir la relation. Oui la relation. Bon il faut être sincère et éviter d'envoyer des nudes aussi, hein. c'est dangereux. Il je pense qu'il faut être patient. Oui, il faut être patient. C'est surtout ça. C'est là. Oui. Moi, c'est Timothée Richard à l'EST en L3 génie logiciel. Je pense que si moi je suis au Niger et que ma copine est au Bénin et qu'on doit s'entretenir dans une relation à distance, le mieux c'est de vite retourner la voir ou qu'elle retourne vite me voir pour qu'on consolide ça avant qu'elle ne quitte pour un temps donné et qu'elle revienne. Parce que à distance, dans l'éternité, ça devient un fantasme. Je pense que c'est ça seulement qui peut faire durer une relation à distance. Eh, moi, c'est Adamo Ali Abdulzak. Adamo, a relation Et eh, donc, euh, vous savez, la distance là, au niveau de la distance, il y a un problème. Parce que et eh, souvent, même si vous faites par exemple un simple ami, même pas une copine, si vous avez fait deux semaines ou bien comme ça, quoi, et on ne se voit pas, quoi. L'amitié, là, ne sera pas solide, à plus forte relation amoureuse, comme ça. Ok la patience. Mm. Et après, ça aussi, il faut penser, il faut penser dans l'avenir. Tiron, je reviens à toi. Et eh, à comment tu à samu rapprochement da de se rapprocher voilà et d'être euh, à ga ah. Et puis si vraiment ça cause assez de problèmes dans ce genre de relations, de cesser même puis de Moutoum, il ne faut pas se, mettre dans ce genre de relation. Quoi que vous soyez très loin, il ne faut pas que la, fille soit loin de toi. Et... Moi, eh, j'ai juste une dernière, une dernière chose à dire. Bon, moi, je vais juste dire qu'il ne faut pas trop abuser des réseaux. Je, je maintiens ce que je disais tout à l'heure. Je préfère la méthode classique. Il faut maintenir l'autre méthode. Et être face avec la fille, la draguer, prendre son numéro et puis voir après ce que ça va donner. Merci à tous les jeunes euh, de l'Est qui nous ont accueillis. Nous étions avec eux, Mounihira réseaux sociaux, Mounihira soyez à vous, Facebook, da WhatsApp, da Kamanensu, Tarano matasan. Munji Mounji, Yasike soyez sous ya suke wannan soyayya tasu fuskan facebook soyayya su wata ta ce da hankuri he da hankuri da wata kuma ta ce ita gaskiya ba ta yarda da wannan soyayya ba wallahi daɗi karewa gobe zaku haɗu da abokin aiki na dondi dans la fada spéciale utilisation des réseaux sociaux par les jeunes avantages et inconvénients n'oubliez pas de nous envoyer vos questions vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 81 06 88 à 54 c'est moi Harou bye bye